le forum du studio le forum le forum du studio le forum du Il est 18h15 à Niamey, c'est l'heure du forum de studio Kalangou. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité au programme d'Istudio Kalangou qui sont diffusés en direct par 41 radios partenaires dans toutes les 8 régions du Niger. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangou, notre site internet www.studiokalangou.org et sur WhatsApp. Aujourd'hui, le forum de studio Kalangou a pour thème le Tagdal, 11e langue nationale du Niger, origine et importance. Le Tagdal est désormais la nouvelle et onzième langue nationale du Niger. Ainsi en a décidé le Parlement nigérien en séance plénière le 6 décembre 2019. Cette langue mixte est parlée par les Igdalan, une communauté nomade du Niger vivant principalement dans le nord désertique du pays. Elle est dorénavant reconnue dans le pays au même titre que le Hausa, le Jarma, le Songhai, le Tamashek, le Foufoudé, le Kanouri, l'arabe, le Gourmanchema. Euh, toutefois, le français étant la langue officielle. À noter que, outre le Niger, le Tagdal compte également de nombreux locuteurs dans plusieurs pays comme le Mali, la Mauritanie, la Libye, l'Algérie, le Soudan, le Tchad, le Maroc ou encore le Sénégal. Avec euh, nos invités, nous allons chercher à comprendre le processus de la renaissance de la langue tagdala au Niger, son importance, ses origines et les localités concernées par cette locution. Pour ce faire, nous avons dans ce studio B Alassane Intinikara, membre de la communauté Igdalan. Alassane Intinikara, bonsoir. Bonsoir. Docteur Moukela Abdou, doctorant en histoire à l'école doctorale des lettres, arts, sciences de l'homme et de la société à l'université Abdou Moumouni de Niamey. Docteur Moukela Abdou, bonsoir. Bonsoir et Ousmane Bahago, président de l'Association pour la promotion et le développement de la langue Tagdala. Ousmane Bahago, bonsoir. Bonsoir. Au microphone, Mokhtar Hamadou. Alassane Intinikara, pourquoi introduire une onzième langue au Niger Merci de m'avoir invité pour qu'on parle de ma langue qui est le Tagdal. Et je profite euh, de votre micro pour présenter mes condoléances à tous les peuples nigériens, au gouvernement nigérien et aux familles des victimes de ces dernières attaques perpétrées dans notre pays et que nous implorons Dieu pour qu'il nous assiste. Et encore, on demande à tous les peuples nigériens de s'unir pour lutter contre ces terroristes. Par rapport à l'introduction d'une onzième langue nationale au Niger, ça c'est un droit constitutionnel avant tout. Et car euh, l'article 5 de notre constitution avait bel et bien précisé que toutes les langues, si une langue, si on découvert une langue nationale, on devait l'insérer parmi les langues nationales. Ici, la langue tagdal est une des plus anciennes langues du Niger, plus particulièrement selon euh, certains historiens, le tagdal c'est la langue vernaculaire de l'Aïr. Donc euh, certains historiens aussi ont dit qu'ils sont parmi les premiers qui se sont installés dans le nord et qu'ils sont parmi les la première communauté qui a embrassé l'islam et ils ont aidé pour sa propagation dans beaucoup des pays de l'Afrique. Euh, ici, on remercie beaucoup euh, le gouvernement et tous les acteurs qui nous ont soutenus financièrement, intellectuellement et moralement. Et aussi, on remercie les membres de cette communauté qui se sont bâtis jour et nuit malgré des menaces. Des menaces de la part de qui De la part euh, de beaucoup de gens, car je ne vais pas citer le nom. Et lui, le président de la communauté qui est là, il sait de quoi il s'agit. Mais Dieu merci, et la lutte a payé. Car cette lutte si je me souviens, on l'a commencé et depuis 1998 euh, lors de l'arrivée d'une mission de la Société internationale euh, de la linguistique SIL Niger. les membres de cette mission, c'est Nelly Kindo et Meikwal. Et moi, ils m'ont recruté en qualité d'interprète, car ils sont venus pour mener une enquête sur la langue Igdalan et la communauté Igdalan. Bon, on a fait le tour de la zone où se trouvent les Igdalans. Et après, ils ont quitté. Euh, dix ans après, ils m'ont appelé pour euh, me recruter en qualité de traducteur à langue tagdal à la Société internationale de la linguistique SIL Niger. Et c'est là où, bon, c'est la traduction biblique quand même et certains euh, livres, quoi. Et là-bas, on a même fait des syllabaires en langue tagdal, les syllabaires en najami et en latin, en langue tagdal, et on a mené beaucoup de missions de sensibilisation et de cette communauté, car on était deux, tous membres de cette communauté, il y a moi-même et il y a Ali Ibo Magri. par rapport à cette question, euh, en 2012, nous avons eu l'occasion d'un des membres, de, d'un des linguistes de la CIL, euh, au nom de Carlos Benitez Toros, qui a présenté sa thèse, sa thèse doctorale en linguistique Tagdal à l'université Abdul de Niamey. À cette occasion, nous, on a organisé une grande conférence. On a invité presque tous les responsables de la communauté Igdalan à cette euh, conférence. Et là, lui, euh, Carlos Benitez, sa conclusion, il a conclu que le Tagdal est une langue à part entière et que les gens confondent le Tagdal et le Tamashek. Il a, conclu que le Tagdal n'est pas le Tamashek c'est deux langues différentes qui ne font même pas partie de la même famille de langues. Alors, Alassane car au Niger, quelles sont les localités concernées par cette nouvelle langue ce n'est pas une nouvelle langue, mais elle est nouvellement reconnue par la Constitution. C'est presque dans toutes les régions du pays, mais la grande concentration, c'est dans la région de Tawa, Agadez, et une grande partie de la région des Anders, si vous prenez vers Damergou et Tanout, et même à Difa. Même à Difa, si vous prenez il y a certains villages de Difa, il y a beaucoup de Zigdalan. Et dans la région de Maradi, ça, vers Tessawa, surtout dans les cantons de Kornaka, les départements de Dakuro et le département de Barmo. Euh, si vous prenez la, la, la, la région d'Agadez, euh, c'est presque dans toutes les villes d'Agadez et presque dans tous les villages d'Agadez. Et si vous prenez dans la région de Dosso, euh, vous trouverez à Chota, il y a un nombre important de Zigdalan à Chota et aussi dans le département de, dans la commune de Dosso, vers euh, un village qui s'appelait, je pense, euh, Kimbitibangu et dans le département de Falmaï. Et si vous prenez dans la région de Tilaberi, vous verrez beaucoup de Zigdalan dans le département de Saï, plus précisément vers Tamou, et aussi à Bankilare, à Abalafilingue, il y a beaucoup de aussi. Mais ici, eh, ce qui est très important, et eh, cette communauté, c'est une communauté qui a cohabité avec toutes les communautés du Niger et elle n'a jamais eu de problème avec aucune communauté. Alors, Alassane Dès qu'on vient dans une communauté, on apprend la langue, on cohabite avec, et cela a fait que beaucoup d'entre eux ont laissé leur langue parler, ils, parlent les autres langues du Niger. Et la seule chose qui a fait qu'on a référé et ces Igdala-là, c'est par les signes de leur troupeau. Car les signes est unique, c'est un signe unique. mais leur franche majorité parle les Hausa et les Tamashek. Des signes des, signes, vous faites allusion. Euh, au Non, non, non, ce n'est pas le temps, c'est les signes qu'on porte sur les animaux. Les signes qu'on porte, on a un signe qu'on porte sur les animaux, c'est l'illahi, l'illahi. Donc ils n'ont pas perdu ces signes, toujours c'est les signes qu'on trouve sur leurs troupeaux. Et lorsqu'on a mené des missions à l'intérieur du pays, on a trouvé cette communauté-là qui est là. Ils nous disent que nous sommes des Igdalans. Mais nous, nous avons perdu la langue, on ne parle plus la langue. On leur demande quelle est la preuve, ils nous montrent la signe sur leur troupeau, c'est la signe Tagdal. Car même les signes s'appellent Tagdal. Vous voyez Bon, en dehors euh, de cela, euh, cette communauté est une communauté de paix. Ça, je pense que tous les peuples nigériens qui ont cohabité avec euh, les Igdalans témoignent que les Igdalans, ce sont des gens de la paix. Et en plus, ils ne se sont même jamais intéressés à la politique. Jamais, jamais. Ils s'en fichent avec la politique et ce qui les intéresse, c'est l'étude coranique, leurs troupeaux, car ils ont beaucoup de troupeaux, même l'école là. Leur franche majorité, c'est récemment qu'ils ont commencé à amener leurs enfants euh, à l'école. À l'école. Et c'est ça qui a fait que lors de la conférence nationale, celle-là, je pense que les Igdala n'ont pas un intellectuel qui a assisté à la conférence nationale. C'est pour cela que la langue n'a pas été reconnue, depuis la conférence nationale. Car les gens l'ont confondue avec euh, euh, les tamashek, alors que c'est deux langues différentes. Car moi, je parle bien tamashek, mais un tamashek va vite comprendre que ah, je suis de la communauté Igdalan, car chez nous, il n'y a pas les féminins masculin. Et lors de la conférence nationale, selon ce qu'on a appris, ils ont évoqué les sujets. Et certains ont dit que non, ça là, et là, les Igdala, leur langue, là, il y a du german dedans, il y a des tamashek dedans. Et il y a certains qui ont dit que ah, c'est les tamashek. Et on a classé cette langue parmi les tamashek. Alors que les tamashek est une langue à part entière, on n'a aucun problème avec les tamashek, on se marie avec eux, mais nous, on a mené ce combat pour ne pas perdre notre langue, car elle est parlée par la majorité de la communauté Il et à certains d'entre eux qui ne comprennent aucune langue qu'elle est Agdal. Si tu lui parles Tamashak, il va tout juste te regarder, il ne sait pas ce que tu es en train de raconter. Et encore, c'est un droit constitutionnel. Et nous pensons que ça va apporter beaucoup à notre pays. On va revenir vers vous, à la scène le temps de donner la parole à Dr euh, Moukela Abdou. Docteur Moukela Abdou, rappelez-nous l'historique de la langue à Tagdal. merci beaucoup, Mokhtar, pour euh, l'occasion que vous nous offrez de parler de la langue Tagdal, la onzième euh, langue nationale donc reconnue récemment par l'Assemblée à travers son vote massif. Pour parler d'historique de la langue, je pense qu'il serait important de parler d'abord de, la, de, cette langue. Parce que c'est surtout même l'histoire de, de qu'il faut parler. Parce que c'est un peuple, comme l'a dit mon prédécesseur, de par, en tout cas, l'histoire, tout le monde reconnaît qu'ils sont parmi les premiers groupes, en tout cas ethniques, à s'installer dans l'Aïr. Donc, ils ont un ancrage ancien. Euh, effectivement, beaucoup de, chercheurs ont écrit sur euh, euh, les Igdalen, notamment étrangers comme ceux du pays, c'est-à-dire les, locaux. Si nous prenons le cas de Bakar Adamou, il fait situer l'arrivée de Igdalan vers avant même le 11 siècle. L'ancien doyen de la faculté de lettres. L'ancien doyen de la faculté de lettres, effectivement, Bakar Adamou, il citent l'arrivée des Igdala avant même le Xe siècle, c'est-à-dire avant l'arrivée même des Touareg. Donc ils font partie de la première vague, selon eh, Al-Husseini Mouloul, qui est actuellement ambassadeur, je pense, euh, en Libye. Libye. en tout cas, il classe les Igdalans parmi ceux qui font partie de la première vague. Il les, a classés, l'arrivée en trois vagues successives. Mais les Igdalans font partie de la troisième vague. les Igdalans, ils font partie de cette grande famille eh, linguistique qu'on appelle les berbères. Maintenant, eh, dans ces berbères, il y a des sous-groupes. Maintenant, et ils font partie de ce qu'on appelle le groupe des Sanhaja, les Sanhaja. Donc on dit que ce sont les descendants des Gdala. C'est une communauté, comme l'a dit le prédécesseur, religieuse parce qu'ils sont les premiers à, en tout cas, embrasser l'islam et à contribuer à cette à, l'expansion de l'islam. Vraiment à sa, propagation. Ils avaient euh, comme chef un certain Ibrahim Yahya, Ibrahim Agdali, qui est l'un des premiers initiateurs donc des mouvements al-Mouravid, al murabitoun Au XIe siècle. Au XIe siècle, effectivement. Oh. Donc, euh, si vous prenez, euh, c'est Igdala eh, sont majoritairement de nomades, de nomades éleveurs. En fait, c'est leur mode de vie du pastoralisme, le mode de vie du pastoralisme qui les distingue souvent, qui ne les distingue pas du monde des nomades Touareg, eh, du Sahara, du Sahel ou bien de la savane. Raison pour laquelle il y a cet amalgame-là que euh, Alassane a relever on les confond souvent aux Touaregs, souvent aux Arabes, souvent même aux, aux, aux, Germains. sont, Alors que c'est une communauté à part entière qui a sa propre langue, en tout cas sa propre culture et sa propre histoire. Euh, comme je dis tantôt, euh, le les Igdalan, cette langue qu'on appelle la Tegdal, c'est un parler particulier qui est de fond original berbère avec un apport sans, Aizarma, mais qui offre une similitude avec les Tassawa, que je devrais aussi peut-être vous rappeler, qui fait partie des euh, dix, premières langues reconnues officiellement, les langues nationales. Lors de votre présentation, vous avez omis de parler de la Tassawa. Donc, euh, la l'attaque qui vient euh, en 11e position, donc elle a une similitude avec les Tassawa. Mais en fait, qui n'a rien de commun avec euh, cette langue. Oh, elle, la Tassoa, est parlée par les sédentaires de Dingal et des Tridentis. Et vous avez également euh, des parlers qui se rapprochent de la Tagdal, mais qui ne sont pas en tout cas euh, majoritaires ici au, Niger, qu'on retrouve au Mali, par exemple, la Tadassaha. Vous avez aussi euh, l'autre parler qu'on appelle les Kouranzé, qui se, retrouve aussi d'Algérien dans la commune de Tabalbala, je pense. Euh, oh donc, euh, ce que je voudrais dire par rapport à, cette langue, effectivement, c'est une langue à part entière, donc comme toutes les autres langues. Et la communauté igdala elle a cohabité avec d'autres communautés, dont surtout les Touaregs, les Arabes. Et dans les différentes régions, on les retrouve effectivement, le président Intinika l'a rappelé, un peu partout on, les retrouve un peu partout au Niger. De, sorte qu'il y a eu une assimilation, une assimilation. il y a des communautés qui ont perdu effectivement leur langue par rapport à la langue dominante de là où ils se retrouvent. Mais toujours est-il dit que là où ils sont, en tout cas les Igdalans ont gardé eh, leur euh, en tout cas culture des, des, traits culturels en tout cas eh, propres à eux ils ont encore eh, sauvegardé cette langue jusqu'au point où ils étaient arrivés à la faire reconnaître officiellement par l'État du Niger aux côtés des autres langues déjà reconnues. Euh, Ousmane Bahago, euh, que peut apporter cette onzième langue au Niger ou à la communauté euh, Tagdal Merci, monsieur. Au fait, euh, une langue en plus ou plusieurs langues en plus, c'est la richesse d'un État. Si vous prenez un exemple, l'exemple des pays qui nous entourent, nous sommes peut-être, j'ai dirais même avec beaucoup de euh, je prendrais même le risque de dire que nous avons moins de langues que les pays qui nous entourent. Parce que euh, quand je me réfère à, la Côte d'Ivoire en 78, la Côte d'Ivoire avait plus de 70 euh, 78 langues. Pourquoi 11 langues peuvent poser des problèmes pour un pays aussi large que le Niger C'est très important. Ceux qui pensent qu'une langue en plus ou en moins, une langue en plus pose un problème, je crois qu'ils sont trompés. La langue une langue en plus, c'est une richesse pour tout un chacun. Voyez-vous, quand vous prenez l'exemple des pays qui nous entourent, vous allez là à côté, quelqu'un vous parle la langue la plus dominante du, des pays. Si vous ne répondez pas en cette langue, il change. Il, ne communique plus avec vous. Aujourd'hui au Niger, vous me parlez germain, je vous dis que je ne parle pas germain. Vous allez changer de langue jusqu'à ce que vous trouviez une langue d'interlocution entre vous et moi. C'est très important. Nous, nous, nous, avoir même plus que ça. Si au niveau euh, des autorités politiques ça pose un problème, vraiment je pense que c'est une grosse erreur. Parce que comme l'a dit le président Antenaka, nous avons rencontré beaucoup d'obstacles avant d'aboutir à ces résultats. Je ne reviendrai pas sur les obstacles. Euh, pour parler de tout pour répondre à la question, mes prédécesseurs ont parlé de, pratiquement de tout. Moi seulement, je vais apporter d'autres précisions. Le président Antenaka a parlé de, de du droit constitutionnel. Effectivement, la Constitution reconnaît euh, à chaque citoyen l'usage de sa langue comme la langue nationale. Cependant, la Constitution a encadré cette reconnaissance par rapport à la loi euh, du 8 février 2002. Il faudrait nécessairement que la communauté soit composée d'un village ou d'un groupement ou de plusieurs villages ou d'une tribu, mais qu'il soit euh, présent sur le territoire national à l'arrivée du colonisateur. Comme l'avait dit le docteur Moukala, les était étaient là bien avant le 9e siècle. Et nous, pour être en conformité avec la loi et avec notre conscience, nous avons introduit des recherches pour prouver la présence des sur le territoire national. Parce que j'étais convaincu que compte tenu des difficultés que nous avons rencontrées, l'autorité politique risque de nous dire que tout ce qui a été dit historiquement ne tiendra pas la route. C'est ce qui nous a amené à retrouver dans les archives nationales les premiers groupements ou les six premiers groupements créés dans la région de Tawa. Euh, à l'intérieur de tous ces groupements, vous avez les tribus Gdalen. C'était le premier groupement qui avait été créé le 16 octobre 1919 par le commissaire gouverneur du Niger. en 1922, la, France, frange de la communauté d'Alan, de, de, Tama plus précisément, avait contesté ce rattachement aux autres groupements parce que les autres groupements étaient, avaient pour chef la plupart des Touaregs des Arabes. Ils ont contesté vigoureusement, le 13 janvier 1922. Le premier groupement des Igdalans avait été créé, qui s'appelle le groupement Igdalan de Tama. C'est plus précisément le 13 janvier 1922. Et depuis lors, nous n'avons pas connu un autre groupement qu'en 2010. En 100 ans, nous n'avons que deux groupements. Vous avez posé la question au président pourquoi nous avons introduit la requête. Voilà, ça c'est une première raison. Et mettons de côté les raisons politiques. Ça c'est un autre débat. Voilà une des premières, une communauté aussi importante, mais connue de tous les Nigériens, aussi ancienne. Quand même, ça pose un problème. Même pas pour la communauté, même pour, le pouvoir euh, public, le pouvoir politique. Comment vous pouvez gérer les gens que vous ne connaissez pas Ça pose un problème. Ça, c'est un problème très sérieux. Il faut le dire. Donc, euh, il a parlé de, de premières recherches qu'ils ont faites. Effectivement, ils ont fait des recherches euh, en 1998 dans le cadre de, de l'asile. Mais dans le cadre de l'asile, n'était pas. Rappelez-nous l'asile. La CIL, c'est la société internationale de langue qu'elle avait évoquée qu'il avait évoqué tantôt. Mais ces recherches avaient autre but que la reconnaissance de la langue. Vous ne pouvez pas obtenir un droit sans introduire une requête demandant l'octroi de ces droits-là. Effectivement, nous avons eu à travailler avec eux. En 2012, nous avons euh, tenu une conférence de débat au niveau de l'université, la faculté de lettres à laquelle beaucoup de savants avaient assisté, beaucoup de communautés avaient assisté, c'était pour jeter les bases. Et à l'unanimité, tout le monde avait reconnu que cette langue est différente du tamashek. Lui, il parle tamashek, mais moi, je ne parle pas tamashek. Et il parle tamashek, moi, je ne parle pas tamashek. Alors, si je dois parler avec lui en tamashek, comment je vais faire Ça pose un problème. Et euh, vous, êtes, aussi tous euh, membres de, la <laughs> eh, communauté. Il Il n'y a, pas de discussion en la matière. Et puis vous avez des membres de cette communauté qui ne parlent aucune langue que leur langue dans ce pays, quand même. Ça, c'est le premier. Donc, en, en, en, 1998, ils ont effectivement introduit des, des, des, recherches dans le cadre de la langue tagalog, mais c'était pour, dans le cadre biblique, dans le cadre de la, conversion des communautés dans les différentes langues, euh, machins. Ce n'était pas en réalité pour la reconnaissance de la langue. Mais sinon, même nous, en 2012, nous avons commencé, euh, nous avons introduit la requête, mais de façon informelle nous sommes euh, adressés à, plusieurs, à plusieurs autorités, mais tout le monde avait eu peur de, traiter le dossier parce que c'est un dossier très sensible. Ce n'est qu'en 2018, le 2 mars 2018, que nous avons introduit une requête officiellement en vue de la reconnaissance de la langue. Et voilà comment les choses ont marché. Et malheureusement, elles nous avons tellement trébuché, ça nous a pris 7 ans. De 2012 à 2019, ça nous a pris 7 ans. Et je ne vous rappellerai pas les obstacles que nous avons euh, euh, rencontrés jusqu'à aujourd'hui. Quand bien que euh, l'Assemblée a adopté la loi le 6, décembre dernier, jusqu'à là, la loi n'est pas encore promulguée. voilà. N'est-ce pas Le docteur a parlé, tout à l'heure, il avait parlé de l'ancienneté de la langue. Effectivement, au 9e siècle, la communauté langue était composée de deux grands groupes. Et chaque, chaque groupe est subdivisée aussi en deux sous-groupes. Et déjà au 9e siècle, cette communauté couvre l'ensemble des grandes régions du Niger. La Zawak, Agadez, la le, Tagama et le Damargou. Et aujourd'hui, vous avez la, communauté qui jusqu'à Ngourti. Ousmane Bahago, étiez-vous associé ou impliqué dans le processus de l'institutionnalisation de la langue à Tagdal je, suis, euh, euh, associé dès l'instant que je suis le, président de l'association. Et c'est nous qui avons introduit la requête. C'est nous qui avons produit les rapports euh, à l'Assemblée. Voilà une copie de rapport que j'ai ici, un jeu de rapport que j'ai ici. N'est-ce pas Nous avons rencontré beaucoup d'embûches. Et jusqu'aujourd'hui, moi, je vous assure que jusqu'aujourd'hui, je ne suis pas tranquille par rapport à cette affaire-là. Compte tenu des obstacles que nous avons rencontrés. Parce que c'est qu'est-ce qui s'est passé Parce que quand nous avons introduit la requête, effectivement, le député, un député a, le droit effectivement de porter le, dossier. Mais il l'avait porté avec une loi qui n'est pas en vigueur, la loi de, 2001. Qu'est-ce qui va se passer Nous, notre lutte, particulièrement moi, ma lutte, c'était de produire la loi en vigueur. Parce que cette loi, quand elle, euh, ce dossier, quand elle avait été introduit à l'Assemblée nationale au début, l'Assemblée avait rejeté le dossier. Et quand quand il, il a retourné encore le dossier, il a retourné avec la même loi. Ça veut dire quoi Ça veut dire deux choses d'une. Ou, s'il n'y a pas euh, euh, un éclaircissement par rapport à ça, l'Assemblée reconnaît la langue sur la, euh, sur la base de la loi 2001 et que le pouvoir invalide la langue et on repart à zéro. Et il fallait rectifier le problème en produisant la loi en vigueur pour situer les, encadrer le, le processus. Et c'était ça notre lutte n'était pas une lutte des de, clans ou de, de, leadership, non. C'est être dans le cas. Et si même la loi, si même l'Assemblée avait voté, euh, avait reconnu la langue sur la base de la loi 2000, moi j'allais demander son annulation, parce que c'était fait euh, à, juste titre. Il a parlé aussi de euh, la non-représentation de nos, membres. Effectivement, à la conférence nationale, nous n'avons pas de représentants à la conférence nationale. À ma connaissance, nous n'avons qu'un seul membre. Comment un seul membre peut faire face à tout ce beau monde-là un seul membre. Je crois que c'est Rabdou seulement qui était à la conférence nationale. Si vous avez bon souvenir. Rabdou qui était à la conférence nationale. pour moi, il n'y a aucun. Bon, Rabdou, lui seul ne peut pas défendre un dossier aussi important que ça, parce que c'est une question d'intérêt. Si aujourd'hui la langue tagle est reconnue officiellement comme langue nationale, c'est qu'aujourd'hui, nous allons partager, nous allons partager, parce qu'aujourd'hui nous sommes en politique, il faut dire les choses. Nous avons aussi notre droit. En temps, nous n'avons que deux groupements. Deux groupements pour tous ces beaux mondes-là. Docteur euh, Moukel Abdou, comment promouvoir euh, cette euh, langue riche en vocabulaire avec des emprunts se trouvant dans les mêmes espaces géographiques comme l'arabe, le tamashek et le sonraï hmm, Ok, merci beaucoup docteur. Donc par rapport à la promotion de la langue, déjà il faut se réjouir d'abord par rapport à la reconnaissance de la langue tagdel. tout à l'heure je disais que en tout cas l'Assemblée a fait son travail, mais il reste maintenant au ministère concerné par cette question des langues, notamment le ministère de l'Éducation nationale, qui doit prendre en charge cette question de la promotion de la langue, parce que c'est le ministère surtout concerné par cette euh, affaire de reconnaissance. Et donc, euh, en plus de, l'État, c'est-à-dire euh, le ministère concerné, les locuteurs de la langue aussi ont un rôle important à jouer. Parce que pour qu'une langue euh, euh, vive, reste, et euh, soit sauvegardée, il faut que les locuteurs aussi continuent à, la, parler, surtout les jeunes. Il faut initier les jeunes à maîtriser la langue, à la parler. Parce qu'aujourd'hui, si les jeunes maîtrisent bien la langue, c'est qu'on a espoir que cette langue-là va continuer et, elle va perdurer. Et d'ailleurs, euh, cette langue, tout à l'heure, on a parlé de ça. C'est pas aujourd'hui que les Igdalans sont sur le territoire euh, qu'on appelle aujourd'hui le Niger. Et jusqu'à présent, la langue tient. Donc, jusqu'à, jusqu'au jour où, d'ailleurs, ils ont eu cette reconnaissance. Donc, la promotion de cette langue dépendra de ministère concerné, Tout à l'heure, je vous ai dit du ministère de l'Éducation nationale et également du ministère, euh, euh, euh, également du monde des locuteurs de cette langue. Et je ne sais pas, avant de commencer, Monsieur le Président de l'association CI vous a posé une question si vous avez assisté au forum qu'ils ont organisé. Effectivement, lors de ce forum, on a débattu de plusieurs questions concernant cette langue. Et près, de trois aspects ont été évoqués, l'aspect historique, l'aspect linguistique et l'aspect euh, juridique. Donc actuellement, en tout cas, la, la TACDAL remplit tous les critères, que ce soit aspect historique, que ce soit aspect linguistique, en tout cas juridique, elle remplit tous les critères. Donc elle a, c'est un droit aujourd'hui, euh, euh, l'État, donc de, tenir compte de tous ces aspects-là et de promouvoir euh, cette langue comme toutes les autres langues euh, du Niger. Alassane Intinikara, qui sont les cousins à plaisanterie des Igdalan, de la communauté Igdalan eh, Merci beaucoup. Ça, euh, c'est une question très très importante, surtout dans notre pays, le Niger. Eh, car aujourd'hui, s'il y la cohésion, c'est grâce à, au cousinage à plaisanterie. Et nos cousins à plaisanterie, ce sont les Songhai germains. Car si vous regardez l'histoire de la communauté, et les vrais cousins des Songhai germains, ce sont les Igdala. car euh, euh, vous n'êtes pas sans le savoir, et la majorité des chercheurs, surtout les chercheurs blancs, les explorateurs, ils parle d'un type, d'un type de Songhaï parlé et euh, d'Allaïr. Et en dehors de cela, moi, je, je, me souviens lors de la première rébellion au Niger, et euh, on était petit mais nos parents nous disaient que, ah, et là, ce sont vos cousins, faites attention à eux. Et c'est grâce à ça que vous avez vu lors de la rébellion, chaque fois s'il y a des attaques ou des braquages, on met les songhai ou les jarma de côté, on ne touche pas à eux. Et tous les marabouts qui ont en train de, de, de, lire le Coran et de prier pour ces rebelles-là, les ont donné des instructions, faites attention, ne touchez pas aux songhai et aux germains, ne touchez pas aux femmes. Vous voyez, et encore même la langue, la langue Tagdal elle-même, c'est une langue qui est composée de beaucoup de dialectes Songhaï. Vous voyez, euh, si vous prenez l'exemple de euh, Hugaido, vous voyez, ça c'est le Songhaï. même chez nous, on, dit Hugaido et il y a les autres qui disent Hujindo. Comme Hig, Hig, c'est le mariage, Higi. Vous voyez Bon, nos cousins, et selon l'histoire qu'on a appris, ce sont les Songhai Jarma. Et en dehors de cela, on a d'autres cousins qu'on disait que c'est par les liens de mariage entre les Yigdalan... et une tribu Tamachèque... qui s'appelait Kelgers. Kelgers, ce sont nos, nos cousins. Et cette, ce cousinage-là, selon euh, certains, ils nous ont dit que c'est un lien de mariage qui a amené ça et que les Kilgris-là, d'un côté, leurs ancêtres, ce sont les Igdalans. En tout cas, moi, à ma connaissance, euh, c'est les, deux, les, les et les Jarma et les Kilgris. Kilgris, et ils parlent euh, Mais les, de la manière même fait cette cousina, ce cousinage à plaisanterie avec les Kilgris, on ne le fait pas avec les Germains. Car c'est plus profond avec les Kilgris, car et on cohabite avec eux. Surtout, et les Germains et les Songhai, ils ignorent même notre existence. Alors que c'est comme l'a dit tout de suite le président Ousmane Bahago, que parmi la communauté, la franche majorité de la communauté ne comprend aucune langue qui est le Tagdal. Vous serez ici à Chota, vous trouvez toute la communauté Igdalam parle sa langue, partout. Vous voyez la majorité. Donc aujourd'hui, en termes de communication, ces peuples-là, il y a certains d'entre eux qui ignorent même qu'il y a une république au Niger. Car ils ne sont informés de rien, ils ne sont au courant de rien. Dans des télévisions, on ne parle que français, ils ne parlent pas français, Hausa, Jarma tamashek, pel et les autres langues. Vous voyez ici, et je reviens au doyen qui avait dit que à ah, ça là, il faut euh, comprendre des dispositions pour qu'il y ait des journalistes qui vont donner des informations dans cette langue. Et ici, par rapport à la reconnaissance de la langue, c'était un atout pour notre pays car c'est au Niger, le Niger et les parlements nigériens sont les premiers parlements qui ont reconnu cette langue. Tous les pays là que vous venez de citer, aucun d'entre eux n'a jamais reconnu cette langue. Et ils n'ont même pas eu l'initiative de demander la reconnaissance de leur langue. Et c'est grâce à nous, grâce à la communauté Igdalan du Niger qui ont introduit cette requête euh, qu'on a reconnu donc au Niger, euh, ça, sera une histoire. Car je me souviens, à l'Assemblée nationale, il y a un député qui avait dit que, ah, mais nous, pourquoi au Niger, chaque fois, si on vote des lois, on se réfère à la France ou aux autres pays du monde Pourquoi on ne va pas euh, reconnaître cette langue pour que ce soit le premier pays qui a reconnu cette langue, c'est le Niger. Et en dehors de cela, tout de suite, lui, il n'a pas parlé du nombre des Igdala. On a initié un recensement au niveau national de la communauté Igdala. Mais c'est le comité Igdalan qui a initié, qui, c'est Ousmane Bahago qui est le président. On a fait le recensement au Niger, mais on n'a même pas fini on s'est arrêté, je pense, à à peu près 100 euh, et quelques mille. Mais on n'a pas fini. Vous voyez, un nombre important comme ça, qui se retrouve, comme il l'a dit, vous voyez, c'est euh, pour euh, rejoindre le doctorants et Munkaila qui vient de dire que jusqu'à présent, nous avons une grande lutte à mener. Alors Ousmane Bahago, euh, rapidement, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions pour la promotion, la valorisation, le développement et l'émergence de toutes les langues parlées au Niger de toutes les langues parlées au Niger, c'est trop dire. Parlez-moi de ma langue, parce que c'est j'ai un programme pour ma langue et une ambition pour ma langue. Ça, il faut pas. Il faut aussi euh, avoir l'ambition pour toutes les langues parlées au Niger. Euh, bon, j'ai des ambitions, mais je précise que je donne la priorité à ma langue. Allez-y. Je ne passe pas par plusieurs chemins pour vous répondre. Pour ma langue, j'ai un programme. Dès que la loi serait disponible, nous allons élaborer euh, le, travail, nous allons dérouler le travail. Et comme l'avait dit le président Alassane, nous allons, la première des choses, pour développer la langue, nous allons demander à ce que nous ayons des journalistes au niveau de toute euh, euh, la presse privée et publique. Ça, c'est la première des choses. Elle a parlé de, effectivement d'une première langue qui est reconnue au Niger. Dans le pays qui nous entoure et partout où les grands sont situés, je ne connais pas un seul pays où les langues ont euh, une loi qui, qui, sont euh, encadrées par une loi qui institue la langue et son développement. Il y a qu'au Niger. Et même là au Niger, aujourd'hui, toutes les langues qui sont reconnues ont des difficultés à être développées. Par exemple, quand vous allez prendre la langue la plus parlée au monde, l'une des langues, l'arabe aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale ne l'a pas abordé au niveau de l'enseignement. Alors, nous, nous allons faire en sorte que nous ayons le plus grand nombre de... nous avons l'ambition de, vulgariser la langue pour qu'elle soit portée à la connaissance de toute la communauté nigérienne. Docteur Moukaila, Abdou, quels sont vos conseils, recommandations ou propositions de solutions euh, pour euh, la promotion, la valorisation, le développement et l'émergence de toutes les langues parlées au Niger Rapidement. Mm, ok, merci beaucoup Mokhtar. Donc, euh, en termes de conseils ou bien de recommandations c'est que tout est encadré par la loi. Donc, il faut respecter ce que la loi a dit. Si on arrive à respecter ce que la loi a dit, c'est que tout le monde sera dans son droit. Donc là, la reconnaissance de l'attaque d'Al, je pense que c'est, euh, on peut dire que c'est justice rendue, parce que déjà c'est un droit qui est reconnu par la Constitution de la République et également par cette loi qui encadre tout dans le cadre de la promotion des langues nationales. Donc je pense que comme recommandation ou bien euh, en tout cas proposition, c'est surtout le respect de la loi. Ousmane Bago, vous avez quelque chose à ajouter rapidement Je voulais préciser, ajouter quelque chose sur ce que avait dit le président Alassane. Il parlait de l'importance, effectivement, du recensement, euh, un, recensement que nous avons esquissé. Le recensement que nous avons esquissé, c'était juste pour appuyer notre requête, pour donner un peu l'idée de ce que nous avons comme communauté aux alentours du Namé et dans les autres régions. Effectivement, c'est un, recensement vraiment non exhaustif. Au 9 siècle, bien que dans le cercle d'Ingan, nous avons 3088 Igdalan recensés dans le cercle d'Ingan. Combien seront-ils aujourd'hui Ça, c'est une idée. Euh, c'est-à-dire que vraiment, lui aujourd'hui, c'est le premier président de la communauté Igdalan à créer un parti. Aujourd'hui, c'est la lutte politique aujourd'hui. Nous aimerions le voir demain député ou quelque chose comme ça nous, avons quand même des cadres. Le vote de cette loi réconfortera la communauté Igdalan bien établie dans l'espace nigérien depuis les temps immémoriaux. Le vote va euh, contribuer également à l'introduction de la langue Igdalan dans le processus de promotion et le développement des langues nationales au Niger. Nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous avons eu le plaisir de recevoir Alassane Intinikara, membre de la communauté Igdalan, Dr Moukela Abdou, doctorant en histoire à l'école doctorale des lettres, arts, sciences de l'homme et de la société l'Université Abdoumouni de Niamey, et Ousmane Bahago, président de l'Association pour la promotion et le développement de la langue Tagdala. Merci à nos invités et à vous tous pour votre fidélité au programme du studio Kalangou qui vous parvient grâce à nos 41 radios partenaires. Merci, au revoir.